vraiment euh, surprise pour vous. Euh, si euh, l'on se rappelle, si l'on se rappelle que Tay Barthélémy Diaz ou le président Khalifa Sall ne pensait même pas que premier tour de Nomona Est-ce que vraiment vous avez été surpris par rapport, après cette victoire de la coalition du mai 2024 Bon, vous me permettrez d'abord de féliciter le peuple sénégalais féliciter le peuple sénégalais pour sa maturité. ci mhm. euh, olof s'il vous plaît. Mhm. féliciter peuple sénégalais C'est un travail. véritablement c'est un peuple qui a souffert je pense que Ousmane wax un ko féliciter aussi la coalition du président parce que li est démocratie mhm. da ngay un am programme am pour Askami. dem en fin de compte c'est le peuple qui choisit et c'est le peuple qui gagne je vais félicité féliciter pour répondre à ta question l'union bête lu mm-hmm. effectivement parce que boo les configurations politiques, l'élection yi fi passé ak yooyu donc euh, jàppoon nañu ni véritablement ci candidat yi kenn au premier tour mm-hmm.

je pense qu'il était il y avait 19 candidats. qui aussi donc si critères peut-être amul premier tour il y aussi un candidat en l'occurrence le président Khalifa Ababacar nous dina le second tour. Mhm. mais l'élection bi ça a pris une allure de plébiscite. Mhm. Euh, parce que élection là, mais plébiscite parce que quand tu es à hauteur de 54% des voix, c'est un plébiscite. Le mhm. peuple, dans sa grande majorité, adhère ce projet bien nga ni la coalition euh, présenté. Mhm. donc euh, voilà nous étant des démocrates nous ne dul accepter ko. Mhm. féliciter leen et puis aussi li ñu sénégalais mhm. nous ñu def. on sera toujours dans notre rôle. d'opposition et d'alerte. Euh, parce que l'on aussi moins démocratie il faut ni les def ni ñi aussi pour pousser à ce qu'ils fassent mieux. et nous leur souhaitons de réussir ce quinquennat. amin incha allah alors Ousmane laataa sax ñu gën a xóot ci bi waxtaan bi dafa am lo xamante dama ko ko won surtout ni faré ci camp pasteur yow sax exemple nga parce que la dernière fois biñ fi ñëw ce euh, co-débatteur aussi il était parti euh, il faisait partie de Taxawu Sénégal mais da nga doon wax ak assurance parce que xalaatoo won sax deuxième tour lolu fan ngeen ko tégon cette assurance que vous aviez et si toutefois euh, vous pouvez aussi ta mettre sur la table les éléments yi nga xamante mom mo moo leen permettre aujourd'hui d'avoir cette confiance qui vous euh, bi bi animé won ba ngeen japp ni premier tour c'est possible et da ngeen koy gagné. effectivement Adja Mariama je pense que Vincent mu ngi wax ñom élection yi da leen bête nu déroulé wu mais ñun musuñu bête. c'est-à-dire on savait que notre candidat on avait la conviction en tout cas que notre candidat allait être élu au premier tour. Et pourtant, il n'a même pas eu le, même temps pour euh, def campagne. Il avait le moins, mon mon gonne néolithique, jour il genn def euh, campagne.

donc à travers même la jeunesse patriotique de ngay même au de euh, même nous candidat exactement même si candidat candidats mu nekkee en prison vous voyez que nous dañ doon wàcc ci bi euh, ci terrain bi di def di def sensibilisation di wane suñu programme di fësal suñu programme di mm. dem vers le Sénégalais on savait que même le président Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye bu ñu génnul woon sax ñu Japon nañ ni dañuy gagner dès le premier tour parce que politique comme nous ñu projet la wax sénégalais projet lolo waralon ba président Ousmane Sonko mënatulee bokk mu indi ki nga xamante moy le président Bassirou Diomaye Faye té budul won Bassirou Diomaye Faye tamit mënoon na nekk keneen mënoon nekk man mi sax. exactement mënoon na euh, nek plusieurs personnes parce que on a vendu au Sénégalais un projet té projet euh ñun ñëpp ñoo si war a mën pour mu mëna pour mu mëna dox. Mm-hmm. motax ñun eu égard de tout ça aussi dañoo nek di xeex depuis 2014 ñu dem élection locale wax nañ ko ñun on savait que on savait qu'on était la première force politique on le savait mais avons am nous avons voté. Nous avons voté. Nous Sénégal Nous avons voté et euh, Yewwi loolu moo charte bi ñu Nous avons présidentielle ku nekk Nous jël bu mais charte mais nous on savait que dans des fois dañ ko de wax n'est pas n'est pas seulement passif ñu bëri dañoo Japon ni yeewu Pastef que parce que Pastef moo si est-ce que loolu sax bokkul sax si lu taxoon le le docteur euh, Boubacar Camara qui disait s'il n'y a pas cette alternance c'est la faute du parti passé parce que vous représentez peut-être la majorité. la force exactement ñoo ñoo fa ñoo fa nous doole ñun xamoon nañ mais on avait appelé à ce que nous liggéey ensemble nous travailler ñu travailler ensemble donc loolu ba mu amee ba élection yi élection locale yi Nous ñu à l'élection ay élections législatives n'est-ce pas donc voix yi ñu amoon yokku euh, sénégalais yi gën ñu euh, gën ñu soutenir léegi nag dafa amoon lu xew dafa am si euh, politique dañuy toujours il faut avoir des positions vraiment tranchées que ça soit dans le bon terme ou dans le mauvais terme mais da nga war am ay positions tranchées. ce qui explique votre radicalité. exactement sénégalais yi dafa amoon choix bu entre la continuité et la rupture. Mm. et les sénégalais ont considéré que nous, waa passif ñun ñoo gënoon incarner cette rupture les nag sénégalais à leur grande majorité Nous voté ñu donc pour que ñu jàll dès le premier tour maintenant il y a une parti politique comme je le dis ce score dëgg la euh, néew na parce que booy xool il y a un candidat qui a dépassé aussi la barre des 5 pour cent. à part le camp de. de de de de de de de. je vais dire Benno Benno donc ça montre que sénégalais savent ce qu'ils lu ñu bëgg wax le peuple sénégalais est mature. Ils savent lu mu bëgg donc ils ont fait le vote utile donc euh, amana sax ñom amna ño xamanteni ñom lañ doon soutenir ñun lañ voter donc c'est le vote utile légui nak sénégalais yi euh, adhéré nañ ci rupture mhm. donc juste pour dire que Pastif euh, a été pendant longtemps. Mhm. la première force politique du Sénégal maintenant il l'est encore plus avec euh, son accession au pouvoir di ñaan à rek ñu continuer ka nekk liggéey li nga xamante sénégalais dinañ ñu mëna xëy na mhm. alors euh, Vincent euh, ñu dégg ki nga avons Mamadou Ousmane di wax avec une certaine certitude et pourtant même l'avenir lui a donné raison maintenant a une parti au Sénégal une position wala je veux dire les principaux points forts sont ngeen taxawal ba japp ni aujourd'hui deuxième tour non da fay am ba tey ji mu jumbateel. dina dinaa revenir un peu si quelques éléments wax na c'est la première force politique de ce pays là. mën nañ ko nangu léegi après élection présidentielle parce que bu ñu ni le seul baromètre bi la mën a permettre nga un homme politique wala une un parti politique c'est l'élection je pense que parce que bokk na fi élection président Ousmane Sonko jàll avec plus fort reste Ensuite, nous avons élection présidentielle, il a fait un score de 15%. Après, nous évoluer. Effectivement. donc, ci et Yewwi comme nous l'avons la nous Nous eu bi et pourtant on n'a jamais dépassé ou atteint les 1,5 million de voix mais l'élection présidentielle la particularité je vais le dire moi, moi, nous un na dañu dañu proposer rupture am ñoo xam continuité. et ñoom ñu japp né sax ñoom ñoo gëna incarner cette rupture. non on a toujours été dans la rupture parce que pour rappel suñu leader le président Khalifa Ababacar Sall depuis 2000 bi PSPG pouvoir bi pouvoir, ngi ci opposition. oui il a il a jamais fricoté avec le pouvoir. bi ñuy falé président Macky Sall ñu àndoon ak moom bokk ci ñu ko fal dès les premières heures mu dégagé euh, une position wax ni. Macky Sall a gagné mais ñun nañ proposé posé wu défarat suñu parti à l'époque du parti socialiste. Mhm. parce que ambition yooyu sax mo indi ba ñu ñu parti socialiste ba ñu am suñu taxaw Dakar déjà aux élections locales de 2014 ensuite nous ñu commencé euh, ci biir coalition au Sénégal donc affaire yi dafa dynamique dafa dynamique donc élection mo nous permettre ñun ñu nattaat suñu bopp. Mm-hmm. élection bi permettre comme nous avons. ko waxé ni mu aussi euh, justement élection bi allure plébiscite la mm-hmm. Sénégalais ils ont jugé nécessaire de voter euh, la coalition Diomaye dès le premier tour et ça il faut l'accepter mm-hmm. maintenant lu nekk suñu on va. ban jangat ngeen ci def parce que c'est un gros écart aujourd'hui quand même. oui c'est un gros écart mais c'est une élection présidentielle encore une fois une élection bu ci particularité nul ne peut euh, refuser aujourd'hui que le PASTEF est une dynamique en marche. parce qu'en fait le mhm. terme euh, à un moment donné le président Khalifa Sall a cité si diggandam ba ñu nous sax tey euh, ki wootu Macky Sall moom alors que le parti PASTEF vient qui rappeler rappelé ce discours wala si ce temps de parole. il mhm. a expliqué que de jógee 15 il est que que 50 et poussière pour cent maintenant je vais demander gis sont des am régression par rapport à yéen li mhm. ngeen yéegee woon après ngeen wàcc donc ban jàngat ngeen ci am est-ce que li était bien perçue ou bien bien compris par les Sénégalais pour chute bi de dafa nekk écart boo euh, il faut se poser des questions et faire des analyses non bien sûr tout est question de contexte global je pense que déclic bi c'est depuis 2019 Le nga président Khalifa Babacar en 2019 il était à son apogée politique mhm. peut-être bu jaay doole amuloon ñu permettre ko mu bokk ci élection yi mënoon na gagné élection yooyu peut-être ci score bi wala score bu ko jege 2019 passé nous ñu dund ay ay difficultés yu bëri. Mhm. ñu jaay ñu doole ak affaire yooyu. Euh, loolu président Ousmane Sonko aussi ak ñu mu ànd ak Pastef ñu jàpp leen bu ci des milliers de personnes ñu ci mujjee et tout. Mhm. et puis sénégalais ñu xamee ko loolu bokk ci koo xamante dafa dafa bañ injustice. Mhm. Mhm. je pense que yooyu un élément yu ko a yu ko expliquer parce que boo xoolee en 2012. président Macky Sall c'était pas le meilleur profil dans l'opposition mais sénégalais yi fal ko parce que c'est jaay Dolé, bi ñu ko doon jaay doole et tout donc loolu dafa ci le peuple sénégalais n'aime pas l'injustice n'aime pas l'injustice et ce qu'ils ont vécu nous nous l'avons toujours dit nous l'avons toujours soutenu c'était une injustice exacerbée qui ne s'expliquait pas nous, nous l'avons vécu entre 2017 et 2019. Euh, Après 2019, même 2021, le président Khalifa Sall 2020 exactement donc période où Yop am Nous, ñu yaakaarloo woon aussi ak nguur nous avons dafa toujours euh, brimé de l'opposant réduit l'opposition à sa plus simple expression mm-hmm. je pense que le fait que aussi le passé que les derniers ils ont été victimes de cette injustice jouer notre ci mm-hmm. parce que boo dernière année depuis 2021 on ne parle que du PASTEF euh, de, la persécution de ses membres euh, notamment du président Ousmane Sonko décision judiciaire judiciaires, fi à ak Nous mhm. euh, ñu war ko candidat administration l'administration, de parrainage je pense que nous avons expliqué entre autres euh, résultat mhm. mais comme je le dis encore une fois le peuple sénégalais peut choisir nous ñun une nañu coalition politique boo xam dañu offre peuple décidément choisir pour euh, au on l'accepte parce qu'aujourd'hui on considère que nous aussi li nous Sénégalais c'était un programme ambitieux qui euh, qui offrait une rupture par rapport à ce qui se fait donc dinañ réalité c'est le Sénégal qui gagne. Justement. Alors, Ousmane, mhm. il y a une, une attitude ou une position, mais je vais pas dire euh, douter l'eau, mais euh, ça me fait, ça me pousse à me poser des questions. Le président Ousmane Sonko, dans son discours après euh, juste bon mu prison mon ak euh, le président Bassirou Diomaye Faye il a parlé nee d'où à vengeance mais y aura la justice mais dans son discours on a l'impression euh, comme si le président Ousmane Sonko a lavé à grande eau le président Macky Sall déjà dans son discours c'est la première fois ou la seule fois où on entend le président Ousmane Sonko dire Macky Sall président alors que mon petit proposé propos nous nous voir du ko wooye président parce que j'ai nañu de président et puis euh, aujourd'hui on voit récemment avec les photos qui sont qui ont été publiées hier soir nous gis qu'il il y a vraiment Ben air te l'on donné un accès de cette réconciliation mais est-ce qu'on peut attendre véritablement à cette justice parce que bu ñu fàttalikoo euh, li nga xamante ni moom di li fi xew de mars 2021 ba jamono ci il y a des jeunes yo xam dañu dé qui euh, dit li xewon ci Macky Sall et Ousmane Sonko et c'était pas Amadou et Ousmane Sonko et aussi je veux que tu nga comprendre une chose parce que moi je veux bien comprendre si aujourd'hui le président Macky euh, Ousmane Sonko dit que bon ça sur nous parce qu'on a dépassé les élections et son adversaire c'était Amadou Ba maintenant mais on peut pas départir Amadou de Macky Sall parce que c'est Macky Sall qui a choisi Amadou Bassirou, Bassirou Diomaye Faye, on peut pas le départir de Ousmane Sonko, comme vous dites Ousmane Sonko. Sonko Moïse Diomaye, Diomaye Moïse Ousmane, quelque chose comme ça. Alors, pourquoi aujourd'hui faire cette séparation Vous ne donnez pas un peu raison à Nidon Warni Wartan à mon doute. Si tu te rappelles, bon mieux, donne la poser question. Et puis, le président Ousmane Sonko est sorti pour dire qu'effectivement, il y avait à mon discussion parce que contexte est là. Je vais avoir des exercices par rapport à quelques zones d'ombre du côté euh, de l'autre. déjà, il faut nous comprendre à affaire. Mm. que parce que parti politique là, bon son objectif c'est vraiment offrir une euh, offre politique bon xamante sénégalais yi qui si pauvre donc loolu on est suñu objectif dès la base. Mm. donc subir nañ ay pas que euh, régime maximal ça on n'en disconvient pas. Mm-hmm. ñun ñoo qu'opposant opposant bu radical opposition pour radical au régime de de Macky Sall maintenant comme nous l'avons dit, le président Ousmane Sonko il n'a jamais dit que du mës Macky Sall il n'a jamais dit ça il a dit que même waxtaan ne négocierait pas avec un pistolet sur la, sur la donc euh, il euh, dans ses dans ses anciennes vidéos il y a une affaire faire. expliquez le cas même de Nelson Mandela euh, Nelson Mandela a nga de des années 27 ans de prison si je ne m'abuse et pourtant il a eu à négocier waxtaan ak ñi nga xamanteni ni ñoy ñoy ñi nga xamanteni ni ñoo ko lu métti loolu mm. donc pour vous dire que pour vous dire que déjà waxtaan même bu amé le président Ousmane Sonko il a été clair bu mu guiné, mm-hmm. waxna na ñu ñëw waxtaan ci mm-hmm. amna luñ ko proposé mais sa position était très claire n'est-ce pas déjà qu'on libère les détenus politiques et qu'on ne qu'on renvoie pas les élections donc loolu.

par personne interposée président Ousmane le président Ousmane Sonko donc il a été toujours dans cette position de principe mais il a pas besoin d'être candidat parce qu'il est un candidat donc renvoi élection l'élection, il était contre nest ce pas et que en même temps euh, ne libérer une politique. mais même il était contre maintenant. il est toujours contre. on a voté l'amnistie à l'Assemblée nationale on a voté contre mais la loi d'Amnesty est passée. Mhm. il faut que nous comprenions bien affaire. Euh, sénégalais dañ ñoo fal pour une offre politique yàqamti ñu nag di xaar au tournant donc duñ fi nekk di def chasse aux sorcières loolu moom dafa war a leer sénégalais yëpp xam ko. Macky Sall le président Macky Sall lañ amoon problème lañ amoon ak problème au début. mais sénégalais candidat j'arrive nekkatul candidat il a laissé sa place à Amadou Ba pourquoi nous allons tirer encore sur Macky Sall alors que Macky Sall nekkul mooy offrir une offre politique le président Amadou Ba m'a une offre politique donc nous, nous devons tirer sur Macky alors que am Amadou Ba boo xamante ne la ñu donc on l'a compris Macky Sall fi comme nous, je suis tout à fait d'accord donc tu es d'accord avec moi que nous tirer sur Amadou donc tirer sur donc c'est pourquoi je me demande pourquoi donc c'est pour ça que c'est mieux Si donc ça serait mieux de tirer directement sur le candidat que de tirer sur quelqu'un qui n'est pas candidat on est d'accord donc on a tiré sur le candidat parce que candidat bobo vous savez une élection présidentielle comme une c'est c'est la rencontre entre un homme et son peuple donc on bi proposait bi Macky proposé donc ce n'était pas Macky c'était c'était donc on devait tirer forcément sur Amadou mhm. nous on avait une stratégie politique. tirer sur Amadou ne voulait pas dire aussi euh, laver à grand Macky non non on n'a pas lavé à grand Macky

le président Macky jusqu'à présent ça eu le pouvoir n'est-ce pas. Mm-hmm. pourquoi nous allons nous chamailler avec Koch xamante le 2 on n'a plus besoin du président Macky Sall de nous, de nous, de nous, de nous opposer avec Mais le président son Macky Sall. candidat prenait la continuité. Hein. Voilà, le candidat prenait la continuité. Et puis, c'est un candidat, une personne qui a eu vraiment à faire des choses. Nous, d'accord, depuis le début, parce que l'IGE notre président Ousmane Souk et Diomaye aux impôts et domaines. Mhm. Donc, on pouvait vraiment, on avait des éléments assez probants. Nous tirer directement sur le candidat et ne pas tirer sur Macky Sall. Donc, je pense que Sénégalais. C'est notre stratégie, Voilà, c'était ça la stratégie. Donc, aussi, ça permettait de, euh, dualiser le combat, en fait. C'est-à-dire, nous oh, savons Mais vous avez été deux contre un. Voilà, donc j'arrive, deux contre un, lors nous avons causé. Parce que nous avons indi à la place de Sonko. Si nous avons Sonko, affiché. Mais vu que maintenant, def le tout déjà réduire son temps de de de de campagne parce qu'on a fait a fait moins que les autres. Mm-hmm. donc forcément on. Euh, cette, on avait l'impression que c'était bas Ousmane Sonko qui était le directeur de campagne de de alors que c'était Guirassy. C'est important c'est important c'est deux hommes parce que le moments qui est devenu ñenn ñi lan Sonko jusqu'au palais. non faut vous, on a euh, bon l'information qui est tombée moins que c'est Joma qui a voulu. être accompagné non juste pour dire euh, juste pour dire à certains certains analystes certains analystes. pourquoi mm -hmm. déjà. Mhm. yow mënuñu ne le euh, Ousmane Sonko a porté le combat depuis 2014 monsieur ngi mais nous, en ak que ñu si bëri l'exemple de Mariam Sagna qui a été. n'est-ce pas mais c'est lui le le porte-étendard c'est-à-dire depuis le début mon moo nekkoon le projet n'est-ce pas mu dem ba un moment où il ni dafa passage c'est-à-dire passage de témoin pour que projet bi mën dès lors que le président Ousmane Sonko bu taxataan nañ ko candidat. mënul mënul mënul mënul candidat. Mhm. Euh, euh, président Diomaye Lengue toujours dans le cadre du projet le président Diomaye était lenge ba président euh, est-ce que ça serait ça serait vraiment rationnel que le président Ousmane Sonko efface d'autant plus que les Sénégalais ont voté Jomai dans le euh, selon le slogan Jomai Moisonko. c'est-à-dire Jomai vous ne pouvez pas les dissocier c'est pourquoi vous ne pouvez pas les dissocier Sall Amadou non parce que Macky Amadou n'a pas prôné n'a pas dit. mais il a prôné la continuité et il a été choisi par. il a prôné la continuité certes mais il sait jamais c'est-à-dire dans dans sa campagne. Muso, amoo foo déggee ni euh, Amadou Ba ne moom mooy président Macky Sall. alors damay def li nga xamante ni mooy bëgg bëgg président da koy wax non il a dit carrément que ni day continuer yokk lu fi nekkoon n'est-ce pas donc jàpp na ni moom li fi nekkoon desoon na mu war ko yokk donc les Sénégalais on lui lui ont dit stop. maintenant Diomaye mooy Sonko c'est important léegi euh, il faut pas ñu euh, Sénégalais yi ñuy naxante en fait. Mm-hmm. ce ce ce disons Diomaye.

mu amoon ay spéculation yu fi jugoon ci ñu jëm ci waxtaan entre le président Ousmane Sonko et Macky Sall ba ñu bëri ci ñoom ñoom sax gëmuñu woon y avait euh, waxtaan bu amoon on a vu le président Ousmane Sonko à sa sortie euh, après mu jóge prison expliquer bel et bien il y avait euh, discussion maintenant ban jàngat ngay def ci loolu boo déggee sa waxtaan bi ñu parce que comme j'ai dit je ne veux pas comprendre aujourd'hui pourquoi faire cette séparation entre Amadouba et Macky si on l'on sait que Amadouba a été choisi par le président au pouvoir donc euh, ban et aussi ban crédit par rapport à li nga xamante Ousmane Sonko que inshallah dina justice après son discours tenu. bon d'abord les ma wax euh, daf ñuy jox raison conforté nous position avant l'élection. Euh, parce que c'est une histoire récente euh, le député maire de la ville de Dakar a dafa parce que jàppoon Sénégal heure opposition pouvoir ñu sur lui dem euh, ak président Macky Sall ak wax na Sénégalais après que ni une fonction na président Ousmane Sonko am onction euh, président Khalifa Sall à la suite de ça nga avons défini qui traite traître la euh, waa taxaw yi dañu trahir charte et tout alors que il a rappelé charte est yi lu mu waxoon dinañ àndandoo local un àndandoo euh, législatif, mais présidentiel, un aujourd'hui nous avons dégagé après sa sortie de prison le président Ousmane Sonko il y a eu des discussions avant lui Pierre Goudiaby atte pas wax ko na contexte bi quand même moo ko laajoon waaw mais daf ñuy jox raison c'est-à-dire deuk amna fo foo xam ne fa tollé il faut ngeen waxtaan il faut que ñi sék langue politique bi mëna a waxtaan est-ce que bobu tamit comme si que comme ne contexte bi euh, n'avait plus ce pistolet déjà déjà balaa loolu sax ñun ñu démé ci dialogue bi dégg luñ ci wax yépp alors que ñun suñu euh, leader le président Khalifa Sall mu taxawé ci dialogue bi réy wéx weex la sol wax Sénégal yépp dégg ko mu wax ci euh, détenus politiques, le euh, wax parrainage bi wax ci ah, je rappelle que tamit détenus politiques, yi ba qui génne moom moo monde indi ñëw demander euh, pourquoi nous gagnons leen. non parce que nous avons aussi. foofu tamit dañu position ñu position ça a toujours été qu'il fallait libérer les détenus politiques. mais après cette libération on a vu notre posture lan moo tax contre la loi d'amnistie mais les crimes de sang parce que nous avons fait ni entre 2021 et 2024, il y a encore

Nous avons une position tranchée nous nous duñu la loi d'amnistie bon euh, parce que c'est vrai que voté nañ en plénière contre mais en commission ils se sont abstenus donc c'est euh, euh, lañ doon wax fait. c'est-à-dire ce revirement à 380 degrés nous avons koy ils étaient radicaux à un moment donné ils ont gis flexibilité si c'est une position et à souplesse nous avons maintenu donc nous avons ñu leen doon wax la dëkk il fallait que nous ko ku le fàtte sa bopp ñu delloo si jàmm. justice bon justice dina am ils en ont les moyens en tout cas Et je pense que les léegi qui euh, Bokk majorité à l'Assemblée. bu je pense que d'ici la fin de l'année, nous mën dissoudre l'Assemblée, comme notre constitution mayee appelé à des élections législatives ñu am majorité mais amnistie c'est une loi simple bon un désir de justice nous nga abroger il y a des artifices juridiques qui ont été mënuñu ci parce que encore une fois euh, plus jamais ça nous loolu c'est-à-dire nous, au Sénégal avons polarisé toutes les énergies autour de la politique Le euh, le président Macky Sall jaay doole bu mu fi nekkee woon dafa jéggi euh, passé y révélations, révélations, ay des ci crimes économiques je pense que nous, comme nous, nous toog loolu yëpp dinañ dinañ ko leeral ba koo xamante ku nekk ñu situer sa responsabilité waxuñu chasse aux sorcières mais ku nekk ñu situer sa responsabilité buñ la waree daan ñu daañ la bu nekkee dara amu ci ñu bàyyi la nga dem parce que mm-hmm. dëkk en définitive noonu la war a doxee mm-hmm. beneen bu muy wax mooy euh, cette dualité au sommet de l'État xam nga dañu nekk ci république mu am ay charte am ay euh, nu ñu koy doxalee mm-hmm il est vrai que le président Ousmane Sonko moo porté le projet de Pastef bu Il mm-hmm. est un leader politique de premier plan qui bañu ko mm-hmm. mais sénégalais de dañu voter jax Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye président non je pense que lolo au sommet de l'état mon nek mon slogan politique euh, président Ousmane Sonko c'est clair qu'il a un jour un rôle et, pas des moindres à jouer mais nous savons que si république lañu nekk dafa am le président de la république dafa am ay prérogatives constitution à les lois et règlements Mais mhm. tellement règle rek la comme nous parlement comme nous comme pouvoir judiciaire. Non, nous non baaxul baaxul ci république. public. Mhm. ñu une dualité au sommet de l'État Nous euh, mel parce que. faluñu ñaar kenn kenn lañu en dualité non je veux dire euh, en fait on ne peut pas avoir deux figures. deux présidents deux présidents Sénégal euh, régime présidentiel le bien président la l'année il a la latitude. mais quand même hier je pense que c'est le président Diomaye qui a insisté à ce que. non ça c'est ça c'est bu visitez hier visite de du palais. peut-être pour préparer un peu la. cérémonie de passation de service. Mhm. ça on peut le comprendre mais xam nga avez un ange mignon et euh, Ousmane Sonko c'est une personne à part entière, Bassirou Diomaye Faye n'est une personne à part entière, même si il se regroupe autour d'un projet. Mm. parce que da ngay jàngal rek euh, Bassirou président Bassirou Diomaye Faye yaa ngi koy dégg mu ngi wax sax président Ousmane Sonko euh, yaa ngi ma un wax bu wax ci Amadou Ba mais comme on n'est pas souvent d'accord euh, et tu me dis que je suis têtu et tout donc pour te dire. Mhm. et puis il faut qu'il joue les premiers rôles il faut qu'il joue le rôle de président de la république. Mhm. c'est-à-dire qu'il soit le garant de nos institutions et que nous sommes a ni mhm. il est vrai que nous, avons un niveau sénégalais sénégalais a yu compétence Un peut-être patriotisme pour leur retourner leur mot mais en tout cas dualité ou ñaari figure ci kaw état euh, au niveau de la présidence de la république baaxul ci république bi et puis je ne pense pas que mon mën très bien alors Ousmane. Mhm. ñu gis ay actes yo xamanteni ki le président Bassirou Diomaye Faye teel na ko c'est C'est des actes même à saluer si euh, parce que day nous ni mi ngi tegu ci limu mu won mi ngi démissionner si instance puis yu au parti au sein de du parti PASTEF pour ne pas que mu am benn dendandoo ci lu jëm coloration politique maintenant on peut s'attendre à quel type de gouvernement même si. Euh, même si on sait que da ngeen wax ni da appel à candidature mais est-ce qu'aujourd'hui le parti passé serait même prêt à travailler à ñoo de ñu ngi woon mais qui ont des compétences avérées ñoo xamante nangu nañ leen seen xam-xam ci yan base yan anam la ñu yéen waa parti passé prévoir gouverner. d'accord merci beaucoup Adja Mariam avant mais avancer rek damay retourner un peu sur sa sur sa réponse à ma à ma. Mhm. disons à mon temps donc mhm. déjà il faut comprendre que qu'une si dualité Mhm. c'est très important même si dans notre programme a notre point boo ça parle du vice-président. voilà ça permet disons de de diminuer. le fait l'hyperprésentialité n'est-ce pas non j'arrive j'arrive c'est dans notre programme. Mhm. donc loolu nous, pare pour def et on a dit que ils seront élus en tandem. donc si on dit qu'ils seront élus en tandem ça veut dire que dans notre programme nous na mooy dañ mhm. donc ni euh, donc suñu programme boy a na euh, renouveau institutionnel le premier point c'est-à-dire renouveau institutionnel et engagement africain C'est le premier point du programme premier axe donc foofu daf ñuy ni que ni ñun nous li ñu jëm mooy dañuy defaraat suñuy institution tëggaat institution parce que dafa sooxe bu baax a baax mm-hmm. léegi foofu la ñu wax ni bu élire éliraat président dañ koy élire en tandem un premier ministre disons vice-président dañ koy élire en tandem le président Ousmane Sonko c'est un collaborateur du président Bassirou Diomaye Faye booy xool Donc ni que nous dugg sax nga xam il a pas il a pas il lui a pas volé la vedette parce que si ginnaawam la nek téyel ko sax euh, daanaka bloc note bi ça veut dire que pare na cherche pas à lui faire de l'ombre exactement pare dafa juste pour liguer ak mom té nanguwul na ko ni mom moy jité mom la sénégalais fal parce que booy xol même bañu ñu prison le président Ousmane Sonko c'était éclipsé parce que boobu noonu opposant la ñu won mënon na ne ma génn ak moom wan ko mom mais dafa baye Bassirou Diomaye Faye dem saafonteeg nit sa saafonteeg ful pour wane ni juste que vous avez élu cette vous allez élire cette personne donc démb nous mu doxaleeg mom nek ci ginnawam jàppale ko daanaka mooy mooy comme moy secrétaire juste pour dire que maa ngi fi. Mhm. dew ma moom lañ lañ tek pour encore rassurer les sénégalais bi nga xamante ils ont voté euh, la la le slogan Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy. Sonko on peut présager que donc, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko sera à ses côtés. Mhm. donc pour vraiment gouverner ensemble malgré que sénégalais Bassirou le président Bassirou Diomaye Faye lañ fal comme président loolu il faut mu leer il n'y a pas de dualité mm-hmm. mais ils vont gouverner ensemble Ben du par rapport à ta à ta question donc euh, qu'il s'agissait de comment le parti prévoit de gouverner exactement donc euh, le parti prévoit de gouverner c'est important parce que nous avons ñun programme point du programme de si il mm-hmm. euh, maintenant appel à la candidature de mm-hmm. n'est-ce pas maintenant nag dañuy ñun sénégalais la coalition du président fal donc jox leen tout toute la latitude vraiment de gouverner mhm. donc ñun nous sommes... fi nga xamante ni mën nañ fa jëlee compétence booy xool suñu coalition amul cassé les hommes du de de Il y a Mimi Touré par exemple qui était qui a vraiment cheminé longtemps avec Macky Sall mhm. n'est-ce pas Il y a d'autres hommes par exemple qui ont ni opposition la nekkoon muy Abdourahmane Diouf on peut en citer tellement bëri je pense qu'ils sont autour deux de de presque deux leaders yoo xamante ne dañoo réduire la coalition voilà donc bëri na ñoo xamante ni feneen lañ jóge ñëw

le profondeur du système bi kooku moo est efficace pour mën pour mën a xeex système euh, donc euh, non je veux juste dire que je veux juste dire que non nous on a été clair c'est le système xeexuñu ak nit système du nit donc xeexuñu ak nit donc nit boo xamante ne pare na pas le système bi ñoo ñooy incarner système non non non je prends un exemple je vous donne un exemple très précis très très clair mm-hmm. mu yomb ñu comprendre quoi je suis un chef d'entreprise ma am sama entreprise des des des di n'est-ce pas entreprise bi doxul mais may gérer tout ça doxul ñu teggi ma ben ben ben Vincent mhm. yaa ngi dégg Vincent ñëw à la tête de l'entreprise entreprise entreprise bi commencé dox on l'a vu ñu changé euh, management bi entreprise bi commencé dox loolu lan moo ko waral mhm. pourtant les mêmes personnes ñu ngi foofu noonu mais style de management bi moo changé mhm. ki nga xamante ni mooy jiite mooy changé mooy imposer ay règles parce que moom la yàlla jox pouvoir mu imposer ay règles tey boo doon xëy euh, disons Adja Mariama boo doon xëy heure bu la neex ce directeur permettre la ko directeur bu ñëwee imposer le huit heures ngay xëy Adja Mariama da ngay ñëw huit heures mhm. n'est-ce pas mhm. au moins pour mon a doxal donc pour vous dire que système du nit système kay voilà donc pour vous, l'homme wane ni donc képp koo xamante ne pare na pour changer pas na pour ñëw combattre ñu li Vous êtes preneur? on est preneur donc te si vous voie boobu noonu lañ lancé le président mhm. Ousmane Sonko loolu la yàgg wax musul wax que ni nit bi si système bi la bokk ñun duñu ko jël mais on, on combat un système donc notre méthode de gouverner on a proposé un, un programme aux Sénégalais un programme pour maintenir une vision donc un Sénégal juste prospère et souverain mhm. ancré dans des valeurs fortes mhm. Sénégal pour xamante ne loolu permettre li koy prôner euh, on prône de nouvelles voies de développement économique et social mhm. donc en favorisant le travail l'éthique la fraternité donc nous, mooy suñu c'est suñu programme pour que résumé n'est-ce pas donc ce que nous, sénégalais c'est pour ñu c'est à travers cinq axes donc premier axe comme ni dit, renouveau institutionnel et l'engagement mhm. africain n'est-ce pas deuxième axe c'est nga économique n'est-ce pas et souveraineté alimentaire nga troisième axe bi le euh, capital humain et qualité de vie mhm. nga quatrième axe bi l'ouverture ouverture technologique et infrastructure mhm. et cinquième axe bi la euh, euh, comment dire sécurité nationale et rayonnement international donc lolu non, ces cinq axes yoy non, lañuy gouverner Maintenant, nan la gouverner ci 5 axes Que noonu képp koo xamante ne pour ñëw japp ci liggéey pour mëna dox dang kay dang kay def je prends juste quelques points du programme très important. Mm-hmm. nga ñëw yaa ngi wax sank nga né appel à la candidature. dafa leer li ñu wax dafa leer dafa ne képp Sénégalais fo mënti nekk que nga nekk marron beige que nga nekk taxawu que nga nekk fo mënti nekk si tu as les compétences de pouvoir gérer de pouvoir gouverner dañuy def appel à la candidature. Mm-hmm. parce que pas Pastef maintenant on gouverne c'est le Sénégal. Mm-hmm. donc sénégalais ak fu mu mënti féete ak fu mu mënti for bu paree pour mën a liggéey ak ñun dañuy ñëw appel à la candidature bu dee sénégalais bi nga xamante ne bu doon par exemple je prends un exemple Amadou Ba sax moo am compétences pour mën a liggéey ñu def appel à la candidature mu ñëw jël ko prêt à travailler avec nous mais pourquoi pas euh, pourquoi ne pas travailler avec lui bu dee pare na pour nous liguer donc c'est hyper important il faut que nous bàyyi si xel que ñu si dans des clivages chef, le bokk fii la bokk le Sénégal nous ñu ñor Sénégal nous sommes xeexal te li nga xamante d'ici 5 ans inshallah nous nu ñu mën a def ba li nga Sénégalais un Sénégal juste prospère et souverain bu dee mën nañ ko am d'ici 5 ans ak képp ku que ko mën a liggéeyal incha allah alors euh, après avoir entendu euh, li nga xamante euh, le discours de Ousmane est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre euh, benn notre leader rallié par rapport à cet appel de candidature vous faites comme le monde doon prôné Sénégal avec mon ko voilà, vous préférez rester une certaine euh, euh, opposition quand l'opposition pour essayer de voir tout le temps comment tirer sur le parti au pouvoir ou bien euh, ban dans le si opposition bi nous avons toujours été une opposition républicaine Il y a quand même ñu mais mhm. on a toujours su rester dans les cadres de la République. Mhm. opposition Bob la ñuy mhm. gouvernement gouvernement

Euh, président Ousmane Sonko yaa ngi fàttaliku ci problème mu liste yi ba ñu njëriñ ñu waa taxaw sax ba ne ñu ñoo saboté suñu liste nationale ak yooyu moom ak Mimi Touré puisque moom moo ko cité rien que épisode boobu rek on a connu quatre morts une violence à yooyu avant ñu dem ci législative yi. Euh, ñoom ñu ñëwoon am un discours radical wax ni il faut changer le système président Ousmane Sonko bu muy def présentation programme livre bi solution yang ngi koy dégg muy wax système bi ba ne système bi ay nit ñoo ko dem na ba ci sax ci këru diine yi ay nitu diine amna ay économiste amna ay donc système bi c'est bien défini que ni système du nit mais ay nit a koy doxal mais léegi yow ñooñu ñu bokkoon parce que parce que 2014 mille vingt deux existé ñoom Mimi Touré ñoo fini kon 2012 ba tey jii ñoom Me Moussa Diop ak waa APR yi nga xam yow nga si at sa discours nga mën a ànd nee nga parce que da ngay gouverner donc li nga gis ni am na évolution lu mu bon bon ci discours bi ak ci prise de position yi. Mm-hmm. ça c'est la première euh, des choses loolu dalul xel président Ousmane Sonko du ma ko sosal moo fi waxoon ni président yi fi jàll sax mérité nañu woon ñu fusiller leen nga gis à la veille de l' élection ñu ñëw àndaat ak waa PDS yooyu yëpp c' est des questions yoo xamante ni ah mënul dal xel ci koo xamante ni démb ak barki démb nii la amoon taxawaay. tey jii taxawaayam évolué ba ñëw ci lii ak léeg-léeg. Mm-hmm. dégg nga parce que yow sa noonu démb yi ñi nga xam ne ñooñu nga jàppee woon ba ay sénégalee mu jaral leen ñu xeexle la ñuy ñàkk seen mbakkan ñu ñàkk seen activité économique mais tey jii yéen ay àndaat moo tax ñun on toujours prôné il faut ñu wane beneen xar kanam ñi nga ñi nga xamante ne dañuy engagé wu si politique ñuy fexe suñuy kàddu di waroo ak euh, bañ a ñàkk waroo ak li nga xamante ni moom la ñuy def. et je le rappelle aussi amna na yu fi jaar yo xamné ne dalul xel xam nga ñom ci sen programme de rupture et tout demoon nañ fi ba wax ni ay cumul du am entre ay député ak ay maire am nañ fi ay maire yo xamné ay député lañu en l'occurrence euh, euh, Birame Souleye Diop gis nga ko mu dellu ciat ci lu mu waxoon donc y a te bu ma ci sos dara li ma lay wax yëpp lu ñu mëna a dut baaraam la y a beaucoup de choses yo xamanteni waxon nañ ko ñu ngi siy ci si ginnaaw j'espère que ci engagement yi gis nga ko am point bu mu cité muy euh, vice-présidence bi dégg nga président Bassirou Diomaye euh, Fay mu wax ni du pour mandat bi comment tu peux yow proposer un programme pour ñu élire la nga doxal ko nga ne bon point bi ma leen proposer même si sama programme la bokk du ko doxal ci quinquennat bi alors que rien ne nous dit que quinquennat bi la ñuy ñëw yow la ñuy falaat wala xam nga mm-hmm. euh, ci monnaie bi aussi ñu gis ay revirement ak affaire yi demee noonu mm-hmm.

Euh, sur euh, sur la vice-présidence sur la monnaie et yoyo yëpp dafa dañu xool ni ñoom ñu ngi donc pour liggéey que euh, li nga xamante mm, le camp de du pouvoir maintenant. non Non, xam nga ñun suñu rôle. mais quand même avons une offre politique ñun dañu am suñu plateforme politique. je pense que Sénégal est leen non Sénégal est ñu ñor ñun plus loo xamante non liggéeyal Sénégal correct rek occuper un poste nekul bok ci gouvernement nekul ci dara parce que ñun ni ñu jappé république moy il faut qu'il y ait une majorité qui gouvernement ou une opposition responsable qui s'oppose et qui mu am offre politique opposition boobu bo xamante peut-être euh, du bok ak li nga xamante ni doxal bu doxé vraiment ñu tatchu ne leen bu leen wacc yoon bi yoon bi fi la su doxal aussi ñu jouer suñu rôle euh, d'alerte comprendre nga mhm. du ñu nek ñu ci opposition comme ni ko waxee opposition bo xamanteni dañuy sosal ni dañ lay waxal lo xamanteni ni du dëgg wala affaire yoy mais opposition bu républicaine bu responsable bo xamanteni su doxé dinañ wax ni doxna su doxul aussi nañ wax ni doxul après euh, xam nga jox la ay responsabilités ci gouvernement et tout euh, peut-être mën na neex mën na mais day fekk ni kooku ngeen bokk euh, gis-gis ci ni ñuy doxalee ngeen bokk doxalin bokk lépp xam nga y' a beaucoup de paramètres yoo xamante ni peut-être ñun ci loolu lañ leen di xaar bu ñu xamee proposition yi lan la et tout donc mun nañ ci waxtaan comme toujours. les propositions sont le programme est là du ñuy suñuy ennemi ñun ñoo àndoon démb ak barki démb. mais tey dafa ñaaw seen diggante hein? non suñu diggante am na lu si ñagas lu bëri am na lu si ñaaw mais lu ci ëpp si ñoom la jógee. ah oui waaw ci ci wax bu ñaaw ci. mais on a entendu quand même euh, le président Khalifa Sall.

ñu bokk suñu ay directoire de campagne bi ñuy dem ay ay euh, élection locale et affaire yooyu donc ñu xamante ñu tiis ay relation véritablement yu rafet xam nga man ku mel ni Abass Fall tey jii suma mag la suma dara mënul tax peut-être euh, lu ñaaw am suma diggante non xaaral dama lay wax parce que boo am na discours fu mu war a yem xam nga ku toll ni président Khalifa Sall lu mu représenté si dëkk bi nga nga wax ko alors que yow li nga ko doon jiin tey euh, démb tey jii gis nañu ne ci loolu aussi noonu ko raw comprendre nga di wax ni rek euh, politique dafa war a rafet affaire gentleman moo koy def. Mm. donc euh, véritablement c'est malheureux ñu yegg si fii. un commentaire à faire. oui bon en en en tant de Vincent je vois que vraiment opposition la nekk parce que mu ngi wax. Euh, y euh, wax euh, euh, ni non non c'est ces mots qui sortent justice non non casse bon c'est vrai c'est normal vous êtes dans l'opposition donc c'est dans votre position. ah mais non vous jouez. non je ne peux pas non, non non non je continuer je voulais juste clarifier si vous permettez. allez-y allez-y on ne peut pas avoir une posture d'opposant radical nous on n'a jamais été dans la radicalité mais aujourd'hui je vous rappelle des faits je vous rappelle des faits. Euh, vous avez aujourd'hui pris le contre-pied de ce que vous nous aviez proposé. Mais, vous, êtes dans votre rôle, vous êtes dans ah, votre rôle. Ah, Je vous le ah, conseille, vous êtes dans votre rôle, c'est tout à fait normal. Mm. Voilà, donc euh, c'est bien, c'est ça. Parce que l'IMOTA Sénégal d'INER, donc mm. euh, on a un parti au pouvoir qui est là. donc on a l'opposition qui est en France c'est important voilà c'est important parce que d'autant plus que. Euh, te li ma bëgg rek ñu xam sénégalais yi ñoo am désiru changement sénégalais yi moo ñoo bëgg affaire yi dox lépp ne tekk si euh, politiciens yi wax indi fii xam nga voilà donc moo tax ñu ne ok mhm. maintenant on veut que tout cela cesse dem nañ voté et à hauteur de 54 mhm. donc pour wane ni sénégalais yi li ñu leen proposé instant bi nii doxal leen mhm. donc nekk ñu fi di sànnanteeg ñun xeer wala doxal voilà c'est ça ñun instant bi sincèrement hein, sincèrement et je le répète encore une fois amuñu temps nekk di c'est tout à fait normal nous sommes dans le rôle de de de s'opposer mais nous amuñu temps tourner bu ñu ñu tourner ñun li nga objectif Sénégalais yi euh, dénk c'est nous sommes doxal dans sa dans sa prise de parole mu ngi euh, que on dans notre programme le euh, le président Bassirou Diomaye Faye dafa des virements par rapport à au poste de de vice président. c'est important il faut comprendre il faut comprendre que euh, ils sont des républicains mais bu je je je doute dans si si pose sa posture républicaine pourquoi parce que mu ngi république quand on est passé 5 ans non une république quand on fait un renouveau institutionnel ce n'est pas pour 5 ans donc nous, si devons ba proposer loolu baña a jalgati yoon sax motax ñu né dañuy baye ba 5 ba ba quinquennat du pour quinquennat bi parce que bu ñu nee. xam nga boobu présagion ni que moom mooy le plus important moy on a fait un programme bind ko c' bien écrit dans le programme que le président et le vice président seront élus en tandem ñom lañuy élire ndo loolu donc ku lire programme bi warul na tablé loolu c'est que déjà élu a déjà ce premier. sachant que fii. il y a déjà cette élection. donc loolu donc ñu logique pour logique Sénégal euh, voilà ça sera lors des prochaines élections te sénégalais ils l'ont lu, ñu liir votel est-ce que vous avez est-ce que vous comprenez c'est-à-dire sénégalais Sénégal, liir nañ que euh, le vice-président ça sera pour d'ici 5 ans et pourtant votez nous. et le peuple a toujours raison donc nous nous ñu leen expliqué y a pas de revirement l'union va wax dafa leer donc lire le programme de dëgg vous polémiquer c'est par rapport au poste de vice-président. Parce qu'on a bien dit Parce qu'il faut avoir en fait les rênes pour voilà, pouvoir euh, ça, Maintenant, si on fait un renouveau, institutionnel, nous devons nous constitution, voilà, nous lu leen neex def ci constitution Nous, ñun du ñu doxalee noonu. Mhm. un renouveau institutionnel boo xamante ça tout sera verrouillé ni la ñuy fonctionner ba dëkk bi le a am ba constitution bi vraiment mën appliquer à à à à tout le monde sans pour autant que ñu am ci problèmes. problème donc il n'y a pas d'ambiguïté il faut que ça soit très clair donc on a été clair devant les Sénégalais on leur a expliqué heureusement que le président l'a dit. avant même qu'il ne soit élu donc sénégalais xamoon nañ bañ koy fal que ni mhm. donc c'est très clair par rapport à la monnaie moi je suis, suis un ingénieur financier, donc je, je, je connais très bien aspect bon non on a émis 12 points pour aller vers une vers une souveraineté monétaire te gis euh, il faut qu'on comprenne une chose Amour de que xamante ni day dox te moomalul amul mm. donc pour de que mon dox il faut que en position vraiment mon monnaie c'est-à-dire un monnaie bopam, mon ko doxal duñu ñëw rek né dañuy changer monnaie ça ça ne se fait pas. voilà en tant que en tant que en tant qu'économiste en tant que financier xam nañu on a émis 12 points. parce que monnaie bo kay xol monnaie du dara lu dul moyen d'échange té monnaie pour mu dox il faut que mon am benn économie bo xamante da fay nekk derrière pour mën soutenir monnaie bobu mhm. parce que par exemple exactement notre le franc CFA actuellement des fois c'est une monnaie surévaluée par rapport à notre économie te loolu baaxul si n'est-ce pas léegi nag lu ñu wax mooy on a douze points yoo xamante ne dañ ko teg d'abord lu boo lu bokk na si benn souveraineté économique boo xamante ne dañ koy am ba pare balaa ñuy mën a wax dañuy changer monnaie bokk na ci douze points <coughs> léegi nag loolu la ñu bind si programme bi wan ko Sénégalais yi te dans notre programme même on a mis en avant la souveraineté alimentaire c'est-à-dire de telle sorte que les li nga ont été fii lañ koy euh, lañ koy soxla ñu été ko il y a beaucoup de choses qui ont été dañ ko a taxawal suñu économie avant ñuy wax on l'a bien cité on l'a bien expliqué au Sénégal mon revirement mm. on ne va pas croire et ça ça pas ce n'est pas maintenant Si mm. vous boo euh, le livre vision solution président Ousmane Sonko faut wax si monnaie en 2019 le programme man bokkoon naa signé ñi nga xamante ne dañuy jël programme di dem envers les personnes di leen wax programme ça n'a jamais été question de changer radicalement la monnaie moi je bu ma doon le président Khalifa Sall ak yenn opposants yi di wax si yenn avec une certaine légèreté man daf may yéem parce que man tey du ma ce di wax si programme Khalifa Ababacar Sall te lire complètement ba comprendre et quand je voyais leur leader même et je les je les voyais hein, genre dénigrer le programme je me rendais compte que nous lire le programme parce que nous lisons le programme bi dignité. ko dignité. Mhm. donc euh, c'était 12 points que nous devons dañ respecter déjà suñu intégration voilà aussi pour pouvoir aller vers une nouvelle monnaie mhm. c'est hyper important mhm. donc nous un amul revirement et on a bien expliqué cela dans le programme donc amul benn ambiguïté et je pense que sénégalais comme nous le ko savent xam qu'ils proposent lire li ñu proposé comprendre je vous dis une chose. Mm-hmm. sénégalais yi nekk ñu comme comme bu njëkk di parce que c'est un peu neex wala non. Mm-hmm. da ngay dem ba daan campagne da ngay dem tel point du programme. et cette maturité maintenant dépasse même les politiques. voilà donc c'est ça donc sénégalais mm-hmm. donc c'est important sénégalais ils ont fait le bon choix. n'est ce pas à partir du programme que leur a proposé. maintenant c'est à nous vraiment. Euh, les les les nouveaux gouvernants nous mm. jéem a doxal réew mi ba yóbbu ko fi nga xamante sénégalais alors lu ñu cërale woon nag si ay temps daanaka li si maintenant Vincent pour la dernière question aujourd'hui euh, lan de mes exigence ou attente euh, par rapport à cette li nga xamante ñoom lañ coalition Diomaye 2024 tey yéen le président Khalifa Sall étant de l'opposition, quelles sont ses attentes ou bien euh, li exigences là, par rapport à notre gouvernement de bu ñu taxawal. Euh, ma excusez un peu. Mhm. Euh, mais suñu attente weesuwul li nga xamante ni moom nga dig Sénégalais yi ba comme nu ko waxee wóor leen jox leen leneen du pouvoir ne leen doxalal loolu ñu wàccoo ko ak Sénégalais yi respecté ko. Euh, parce que comme nous mu ko le président Ousmane Sonko dina ko bañ man je ne je ne suis pas comme ça je ne suis pas fait comme ça du ma nekk ci posture dama opposé parce que dama bëgg opposé mais dama la rappelé ay faits Yo que le président Ousmane Sonko moo dit, le président Bassirou Diomaye Faye ñoo ko waxoon mu am revirement ci diggante bi. entre position j'ai expliqué hein. pourquoi ça a été dit comme ça je peux je peux revenir je peux revenir un peu sur ces aspects. Mm. Euh, sur la question de la vice-présidence xam nga ñuy que wax bul jaawale république ak euh, ak euh, projet ak euh, projet ou programme. Mm. mais buñ lay fal ci république c'est via un projet ou un programme. j'ai dit ne passez pas j'ai dit ne ne cantonnez pas la république au quinquennat. je ne peux pas je ne peux pas cantonner. c'est-à-dire pourquoi ko def d'ici les 5 les ans nous lu ñuy def dañoo bëgg fii 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans. voilà sénégalais yi mën ko utiliser loolu mooy suñu objectif. on se limite pas à notre quinquennat. seen offre politique.

mais sinon dañuy waroo ak ñom li ñu wax. parce que piqué la programme. xam nga ci wax wàllu réforme des institutions Sénégal ñu ngi ciy réfléchir depuis 2009 avec les assises nationales ñun loolu moo taxoon loolu ci base suñu programme la commission nationale de réforme des institutions xalaat na ci. Mhm. ñoom je pense que d' accord nañ ci xalaat boobu donc boo bëggee defaraat bànqaas yi ngànk réew mi.

évaluer sur la base de li pendant le moment bu ñu la manière l'avenir certaine incertain. ça peut se faire après aussi. Non. naturellement euh, non, évaluation on le fait après exercice. les c'est ce que je <laughs> Sénégalais pouvoir mais sur la base de li le projet politique. les mhm. Sénégalais ont accepté que d'ici 5 ans dañuy le force vice-président les Sénégalais l'ont accepté. vous disiez tout à l'heure allez-y vous euh, me et tout Mais là, alors, la wax mënuñu la évaluer ou jox

muy wax levier économique yi euh, fiscalité entre autres euh, souveraineté économique mm-hmm. mais mais monnaie lu pas plus tard que ce matin parce que man euh, damay seetaan moy président Ousmane mais loolu les économistes on entend le docteur Khadim Bamba Diagne parler de ça dafa donc doit booy am et je pense que lui comme il a dit euh, c'est quelqu'un qui se connaît parce que c'est un Moi moi je lui conseille cela mhm. mais xam nga kon débat boobu yëpp do am c'est après le ñu dégg euh, même président Ousmane Sonko sax qu'il est revenu sur cette question de la monnaie alors que ñun wax nañ ko comme on est dans un cadre communautaire aujourd'hui on a une monnaie en gestation éco et tout ñun sommes nañu sur ci lool wala ñu xol benen monnaie nan ko mais pas ñu def en autarcie qu'on le fasse ensemble dans le cadre communautaire ou dans le cadre comme La euh, ñu souveraineté africaine lañu on sait que aujourd'hui pour prospérer yow sa côté a day fait, mais nga créer ay grand ensemble yo xamante ni mun quoi mm. donc pour en revenir à ta question nous, dama baax euh, ñu xoj nag. suñu posture mm. dina ñu nekk fii pour di leen rappale saa ñu ko defee bu waaye saa ñu wàccee yoon ñu rappeler leen ah lii du yoon bi lii ngeen di jëwoon ak sénégalais yi wàccu leen nii. Mm. comprendre nga. Mm-hmm. comme nuñ ko comme nuñ ko yàgg defee comme et may wax ni euh, pour terminer ñun ñëpp dañ nekk ci ay euh, ci ay cadre politique. Euh, mais Sénégal moy ñu ñor suñu engagement parce que avant ñuy politique ñun ñëpp am nañ suñu formation bu ñu ci benn parti politique yàlla baaxee nañu suñu métier ñu ci benn parti politique mais li am solo mooy Sénégal. Mhm. yaa ngi dégg am na loo xam ne nag dalul xel et je pense que président Ousmane Sonko alerté woon na si euh, en l'occurrence militant Pastef yëpp quand il s'était agi suñu liste yi ci local yi bul fàtte militant Pastef ñoo dem présidence jaay ko euh, militant Pastef lañ gis ñu def leen ay mandataires.

sa kàddu avec ses propositions moo tax ñi fal la montagne alors Ousmane comme nous avons ko temps bi xoj nañu mm-hmm. mais mo gis tamit ngeen am euh, posture par rapport à ñuy wax civisme ou acte de citoyenneté yéen ngi woté set setal bu si C'est un c'est à saluer aussi ah yéen a ngi civisme c'est c'est c'est vraiment un grand pas parce que quand même les Sénégalais aujourd'hui doivent être vraiment civilisés maintenant côté citoyenneté c'est ñu mën tant que rek yane yan ay axes ngeen tek pour vraiment ñoŋal euh, boobu les pôles waaw euh, en fait euh, damay dem rek si benn citation simple bi pure waxoon donc mu le développement c'est la combinaison des changements mentaux et sociaux de la population mm-hmm. donc c'est hyper important pourquoi parce que nous, avons Japonais, parce que le parti juste les militants nous faire le projet il faut que les Sénégalais nous aident nous appuient dans le grand ensemble mm-hmm. pour que nous puissions vraiment doxal le nga de ne Donc, ñu ñu mm-hmm. donc point euh, je pense c'est le troisième point niveau capital humain et qualité de vie mhm. donc l'eau dafa important importance si donc on a beaucoup parlé en fait de l'environnement on a beaucoup parlé de des voilà on doit protéger l'environnement Ce n'est c'est pas la première fois que sur sommes même avant bu ñu daan des après on prenait le temps vraiment de nettoyer ramasser tout ça parce que patriotisme patriotisme beaucoup ñuy important ñun dañ si jiitu exactement donc moo tax ba ñu voilà def nañ élection ba pare yàlla may nañu ndam sénégalais yi dénk nañu réew mi léegi automatiquement focus si li nga xamante ne moom moo tax sénégalais yi fa fal ñu mhm. ñu commencé ko weekend bi mhm. booy xool euh, dépa collectivité yu bëri département yu bëri lancé li nga xamante ne mooy set mhm. national donc mooy dem dem fi nga xamante ne mooy bureau de vote lañ commencé déjà defal ko ba mu baax fi nga xamante ne moom la ñu ci war a jaar tout ça mbedd yi defal ko je pense que loolu mooy moo tax Sénégal mën a mën a mën a avancer approprié wu disons li nga xamante ne mooy suñu moomeel booy xool même les les les choses yi nga xamante ne état moo ko moomoon mm-hmm. les infrastructures tout ça les gens commencent vraiment à se l'approprier. Et c'est euh, une bonne chose. Mhm. Donc, loolu non, la ñuy woo ñëpp Sénégalais nous ñu gestion bi bu ko d'ici 5 ans li nga xamante ne moo taxoon Sénégalais Sénégal va euh, changer changer alors euh, chers internautes nous sommes arrivés au terme de cette édition spéciale je rappelle que c'est suñu avons Amon Vincent responsable des jeunes de Taha au Sénégal à la biscuiterie Vincent Amon dans le dans le plateau il la bàyyi nga tàggatoo ak mbokk internet yi. bon merci beaucoup euh, bala may tagoto ak internet di wax ni euh, j'ai trouvé le débat très riche. Mm-hmm. et puis ci lii ñuy xaar ñun pass que euh, set setal bi comme nation bi lépp lañ ci woo ñun ci carton suñu borom dinañ fa tew parce que mm-hmm. aussi Sénégal ñoo ko war a bokk defarandoo. même su fekkee am. gis-gis yi bokkul yoon yi bokkul mais ñoom Sénégal lañu bëgg defar ñun Sénégal lañu bëgg defar. Mm-hmm di remercie remercier waat euh, véritablement ci invitation bi di la marquer suñu disponibilité. Mhm. parce que jàpp nañu ni tey jii génération beaucoup de ñoo beaucoup génération ñun ñoo war a mën pour qu'ensemble très bien merci beaucoup alors Ousmane Nek, responsable finance bureau exécutif national de la JPS de la bàyyi nga ah, Adja Mariama ah, vraiment du content bu voir ces qualités, qualité qualité euh, débat bi. Mhm. donc il y importance di di di féliciter ce ce sama co-débatteur de Vincent vraiment mon nekk ku discipliné vraiment gis naa ne depuis débat bon, commencé tout s'est fait dans. ça je le concède hein, il est très correct. voilà donc c'est important Ni le, ni waxtaan mën vraiment dégo même bu nous opposé que vraiment ça soit fait en vrai en, vrai gentleman. donc euh, de le remercier encore une fois Adja Mariam c'est invitation c'est toujours un plaisir. Mhm. de partager un plateau avec toi. Mhm. de remercier sénégalais de di remercier ñi nga xamante vraiment jàppale nous bopp côté di nekk si combat bi di donc de l'union encore une fois.